Madame la ministre, Madame la ministre, je voudrais d'abord saluer l'exécutif qui œuvre pour la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier, nous réjouir de la place qu'occupe le Sénégal, premier en Afrique, quatrième à travers le monde. Madame la ministre, je voudrais euh, saluer les politiques de la responsabilité sociale d'entreprise euh, qui sont, qui sont devenues pratiquement effective. Dans le document, vous avez parlé des 800 millions qui a été alloué à la commune de Saraya. Également, euh, il y a l'exemple de la société ESGO qui avait eu à décaisser 600 millions pour des projets communautaires. Madame la ministre, un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, le secteur minier est une priorité pour le président de la République. Et vous êtes invité à traduire cette vision du président. Et en ce sens, il serait important que ce secteur minier, les informations soient portées aux populations sénégalaises. Euh, Madame le ministre, vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous parler de ce secteur. Cela nous évitera d'être obligés d'écouter les affabulations de, nos, de nos honorables collègues qui excellent dans ce domaine. Ça permettra également aux populations d'avoir les bonnes informations. Madame la ministre, dans la commune de Gawan, précisément euh, ce qui est relatif à la petite mine de phosphate de Gad Bissik, euh, Madame la ministre, il y a une audience publique qui avait été initiée par les populations de cette localité et des sollicitations avaient été faites. Il y a, des sollicitations qui ont pu euh, trouver euh, vraiment euh, éco-favorables, comme par exemple le mur de l'école qui a été construit par l'exploitant, mais également le mur des cimetières. Mais toutefois, Madame la Ministre, les populations de Gad Bissik ont constaté l'arrêt des travaux. Malgré que l'exploitant ait pu bénéficier d'un permis d'extension, en plus du permis d'exploitation, et les populations s'interrogent. Pourquoi cet arrêt D'autant plus que la main-d'œuvre locale a été arrêtée. Madame la ministre, je vous félicite. ci li nga xam ne moom la la président wóoloo tegaal la li nga xam ne boobu ba tey yaa ngi koy yore ci liggéey liggéey boo am solo ñuy rafetlu li nga xam ne moom la exécutif bi di liggéey ci wàllum transparence mooy leeral ak bon gouvernance mooy lépp jaar ci yoon ci secteur minier muy secteur bu am solo nag waaye la ci ñuul mooy majorité de sénégalais yi xamuñ ko xamuñ la ca nekk lu bëri te rafetlu woon nañ ngeen di communiquer ak askanu Sénégal daf ñuy éviter ñu mel ni ñenn ñi am na sama benn honorable député bu collègue boo xam ne moom loolu rek lay exceller mooy di affabuler wax loo xam ne day jir jaaxal xeli sénégalais yi te yéen ngeen nekk ñi nga xam ne yéenee ŋànk secteur boobu war ñoo ginni war a leeral sénégalais yi ndax yow doo fiscaliste doo littéraire ingénieur nga ci li nga xam ne tey moom la président Macky Sall dénk kon yow boo waxee askanu Sénégal dañ lay déglu boo waxee di nga gindi sénégalais yi doo jiir jaaxe doo réeral suñu xel yi donc ma madame la ministre donc loolu lañ lay invité yàgg ñi nga àndal ñu say collaborateur ngeen wax ñu tey boo jëlee kàddu gi lépp loo xam ne muy question bu ñu fi posé nga dul ci baaraam wax ñu li nga xam ne moo ci nekk ndax nga mën a ginn askanu Sénégal ndax doxoo lu dul jàmm li ngay dox jàmm la li ngay dox pour askanu Sénégal la parce que ki la fi la président Macky Sall kat lenn moko ko moy dox ci transparence dox ci bonne gouvernance